La CDAO a donc euh, reçu des injonctions provenant de Washington et de Paris, raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à Niamey. Allah taimake mu. Donc euh, les gens là ba za su ba kyale mu. Ba za su bar mu ba. Wallahi ce muku crise énergétique ce ta tashin hankali ake a kasashen wannan. Eh, tun da avec le pétrole kamar energy kin da uranium yake bada ya na petrol kuma uranium on peut le conserver kama jusqu'à deux ans ana iya conserver kin shi shi kuma na abin energy kin shi kwa me petrol c'est juste eh, eh, 60 jours ne kenan me shi kuma uranium iya iya deux ans kuma duka central nuclear kin ba su aiki shi uranium shine essence kin su da uranium suke aiki uranium wanda yake ba amurka uranium shine rasha fa duk cikin da suke ma rasha wane ne wane ne su hana mutane su yi alaka da rasha rasha ita take ba su uranium 40% de l'uranium de, de, des États-Unis provient de la Russie. Et les autres, euh, sauran abubuwa percentage kin su samo daga Canada, daga Kazakhstan da sauransu. Me amma 40% na uranium kin da Amurka take exporte daga Rasha yake hutuwa Ta samu dan saura daga Kazakhstan. To yanzu Kazakhstan ma tunda Ali Kirusi ne kuma su ma sun dan rihe kofa. kenan yanzu amurka ta yi kwanse yanzu in aka ce transition jima za ta yi kenan wahala za su yi da su da europe kenan dole ne a karya ma niger wuya dole a karya ma niger wuya saboda iranium kinnan wallahi kalku ku kara kar ku rage wannan da suke wannan gerkin gerkin iranium ce suke yi a niger ba wani abu ba kuma ba za a ba su ba iranium kinnan sai a musu irin na 'yan afghanistan sai dai a mutu kuna ganin iranium kenan wallahi ba za ku same shi ba dai kun kare duka nigerian ɗaya ɗaya ɗaya kun kakkashe su da france da amurka korar su kawai tahiya za ku yi babu abin da za ku ɗauka kuna gani kwalelan ku sai dai a musu haka nan amma babu wani abu dan mi busu na sai kin mali dan mi busu na sai kin burkina saboda ba su da iranium iranium kinan na nijar shine matsalar amurka da Faransi. wanda aka jima ana sace mumu tun da aka yi Nijar ba mu taɓa ba moral Iranium kin wannan wanda Iranium kin nan kadai inda mun san valar kin shi da daraja shi da yanda mutane suke yin washi a duniya wallahi muna da wani position strategic muna da wata position de force wadda za mu yi exige kin abubuwa inda muna da dirijan waɗanda suke da vision he mu ce ban ma sai dama kawai sai mi kuma a bar ce lalace in buku sai haka ko kaza kaza ga norm kin mu ko ku ɗauka ko ku bari to ku ɗauka ko ku bari ko min tsadar da aka sa sai sun neme shi saboda dole da shi za su yi tunda ba za su iya barayewa sai da energy ta kuma shi kuma iranium ya hi inda energy ne ba da energy musamman wanda suke da central nuclear kuma yanzu duniya duka le eh, le super puissance la duka central nuclear suke aiki da shi ta kenan kun gani le niger est très très important géopolitiquement géostratégiquement le Niger notre pays est très important kenan mu ma a yanzu ne kamata mu gwada volonté de puissance kinmu mu ce musu ba abin da za a yi kuma yanzu 'yan Nijeriya ya kamata mu tashi mu wayar ma da kai saboda al'umma diya bu san abin da ke faruwa ba a ban kasa saboda suna so su yi deturir kin Niger kin da Nijeriya ne kasashen biyu ne suke so su yi deturir saboda yanzu in suka je suka fara armekin Nigeria saboda Anthony Blinken ya ce za su ba Nigeria makamai da sauransu me za a yi kenan ya ce za su yi dotekin su da armaman da sauransu mais il insiste donc euh, sur le retour donc euh, donc à l'ordre constitutionnel du côté du Niger et vraiment à la libération de Bazoum. Il a insisté sur ça. Kenan yaki ne ke tunkaro mu. Mu tashi mu kama kanmu Yaki ne ke tunkaro mu Yaki ne suke so su haddasa tsakanin Nigeria da Niger. tinubu ya san matsala gare shi da population kin shi amma waɗannan suna da dosiye kin shi amurka nan suna da dosiye kin shi bisa kan harkar kwaya da sauransu da prison da Horan shi suna da dosiye kin shi ya zai kuma ga malumai ga wane ne ga al'umma yan arewa ya zai kenan dole ne yan arewa a tashi a waye musu kai su tashi wallahi yaƙi ne babba ke so a gwabza saboda wannan iranium kin na Niger sai sun yaƙi mu tashi mu kama jikinmu wallahi saboda wannan al'amari turai duk central nuclear da yawa ku je ku shiga da Allah cikin website kin ku danna ku gani keski sai pass ku sa le prix d'uranium kawai ku sa ku ga abubuwan da yake faruwa ku diba ku gani combien de central nuclear on familiar port ici en Europe ou bien aux États-Unis ici aux États-Unis ou bien en Europe sorry ku je ku diba ku gani kuma a plusieurs reprises sai an kawo nan matsala ta Niger kun taba gani yan secrétaire d'État américain ya damu da Afrique ya guje-guje tun da aka yi kudeta kin Nijar an Anthony Blinken da wannan gashi da suna waccan gata da suna eh, sekretar da ta adjoint tashi suka yi ta yawace yawace cikin Afirka, kuma ba don komi bane wallahi saboda Nijar ne tunda a cikin wannan su region kin ba inda suka san ake samun uranium sai a Niger shi kuma iya cikin puissance american shine puissance nuclear wanda suna tsoro kal wani je samu nuclear saboda bomb da sauransu da wani suna gani muna kulla alaka da Iran da Turki da sauransu waɗanda suna neman su ma samu arm nuclear kuma ko samu incapacity gashi da suna nuclear hakan ga wanda za su yi developing wani bomb da sauransu abin da suke ma tsoro kenan kenan shi yasa ilson fure yau su zo su shahi Niger saboda wannan da kuma yake ba su tsoro revolution tana ba su tsoro kamar da Venezuela babu yadda basu ba su destabilize kin Venezuela ba da basu ba su destabilize kin Cuba suka gaza saboda haɗin kan ƴan ƙasa saboda ƴan ƙasa sun tashi in hal muka tashi muka huto muka yi manifeste muka nuna cewa wannan insurance kin ta ta ishe mu kuma American su ta su bar mu guri tunda hal haka suke nuna mu ko sun tahi suna alaka da makiyan mu to dan haka kenan su da mun ba abakan mu bane kamar yadda premier minister ya ce lokacin ya ce da ruwa ya zo muna tsammani muna bazarar bazararku kawai kuka ɗauke bazararku kuka tafi kuka share kuka bar mu mu muna tsammani muna da abakai amma da yake isra'ila abakansu ne ba sun sun kama musu ba to don haka kenan mu san amurka tun da wuri kal mu tsaya mu bata lokaci yanzu plan ne suke nan suke organize na eh, destabilization kin Niger wallahi kuma yanzu babban plan ne yakin yanzu da karhi ne suke so su kai mu mishi wallahi sai mun tashi da kanmu Allah sai tire suriyu wallahi abin da nake ga muku sai suriyu wannan saboda iranium ke wannan ne ake so a kashe mu saboda crise energetic ce duka suke vivre europe eh, daman niger ita ce deuxième producteur na abin eh, na energy na union européenne shi yasa union européenne da sauransu suke kurtuwaye kin niger eh, to voilà de l'autre côté états-unis france take dan basu iranium ha ah, to suna exporter kin iranium kin su ne donc c'est leur quatrième fournisseur la france to France ina take samun uranium uranium gare ta France na Niger ne to Rasha ita ce wadda take ba Amurka ita ce premier gashi da suna eh, eh, eh, exportateur kinsu na Abinenia na uranium 40% uranium des États-Unis provient de la Russie to yanzu Russie tarihi Niger tarihi tau ya za yi kenan yanzu ina ne za a iya kawai mai dan dama dama Niger ce na Rasha bai satuwa kuma Rasha ba iya kai mata yaki ina za a kai ma yaki Niger to da haka kenan mu tashi wallahi lar itire tire tire grave mu tashi in Niger mu tashi Amurka su tahiye su mun ga abin da kuke mu kuma mu huto karar mu gwada musu rishin jin daɗin mu da insurance kin da suke da ita su secretary da takin da shi Anthony Blinken kin kal NCNSP su ji wani tsoron su su yi tsammani wallahi Amurka suna tsoron revolution in muka tashi muka hada kanmu duk wani misil su duk wani abin su da gare su ba ba yanda za su kanmu. mu ba su kai mu wani hari kuma sai da yawo kuma sosai karar za mu ce mun huta daga sai da yawo mun huta daga sai da yawo in ya so Nigeria in suna alaka da mu su in kuma Tinubu ne za su je su bi su je su bi shi il faut qu'on euh, soit clair kar mu tsaya mu bata lokacin mu sai da yawo duka demand kin su racket kin su ba za su samu ba ba a sakin bazum transition kurtu jire ba a yin ta kenan da mi za mu bata lokacin mu sanction bu su taɓa kashe wata kasa Iran ta yi kusan tarantan tana cikin wannan sanction sanction sai da suka development ta kuma aka ce eh, gashi da suna la necessité et la mère d'invention maintenant avec ces sanctions là on a inventé pas mal de choses sur le plan har harkar electricity da sauransu to don haka sai dai yawo mu huta daga sai dawo ku ga sauran NIS in suna huta Burkina da Mali ku huta gaba daya in bu su huta to tunda mu ne aka sha ma kaiwa Niger ce aka aka sa gaba saboda uranium ne wa wallahi saboda uranium ne saboda crisis energetic ce ake yi a nan ga Amurka da Turai dan haka mu huta da wuri kenan in mu huta su sai mu ga wanda zai zo kamu yaki duk kasar da ce za ta tunkare mu kenan da kasar zami ba da sai dai yawo ba zami in Najeriya take da mu da Najeriya zami in da Cote d'Ivoire take da mu da su zami kenan sauran kasashe da mun babu ruwansu to wannan kasashen guda biyu uku su ne ake sa a da sunan sai dawo sai dawo shi ma Anthony Blinken il insist a ah, su vraiment sun eh, eh, vraiment il font confiance à la sai dawo kun gani ils sont en train de le corrompre tunubu buga nan suna kurtuwayan shi suna wannan kin shi suna ce za su ba Najeriya don za su ba ta waye za su ba ta armaman za su ba ta waye dan mi kawai saboda waye ayi transition de courte durée a Niger kuma a Maido Bazum abinda ba su yi ba kenan yaki ne zami dan haka mu shirya mushi eh qui veut la paix prépare la guerre La CDAO a donc reçu des injonctions provenant de Washington et de Paris, raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à Niamey. Ça, c'est ça le fond du problème. Ce n'est pas lié à un problème technique ou bien à des spéculations dont j'ai entendu qu'ils ont dit que l'espace aérien ne leur a pas été euh, permise donc voilà, ça c'est des, mensonges. Voilà. Et je vous ai dit, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce que maintenant, c'est les Américains qui sont devant cette chose-là. C'est les Américains qui ont donc euh, pris les choses en main, euh, pensant que la France, maintenant, vraiment a gâté son nom. Donc, euh, ce sont eux maintenant qui s'en chargent maintenant de ce dossier du Niger. Même en Côte d'Ivoire, et Anthony Blinken a manifesté son inquiétude par rapport à la situation du Niger. Pourquoi le Niger Le Niger est géopolitiquement et géostratégiquement très très important pour l'Occident et particulièrement les Américains aussi. Aujourd'hui, les Américains, ils traversent une crise énergétique inédite de leur histoire. Il y a beaucoup de centrales nucléaires qui ont été fermées ici aux États-Unis. Beaucoup de centrales nucléaires. Nasdaq maintenant le prix d'uranium, chaque jour, ça grimpe. Chaque jour, le prix d'uranium ne fait que grimper. Maintenant, ils ont prévu, dans 3 à 4 mois, euh, le prix d'uranium va quadrupler. Vous voyez Beaucoup de centrales nucléaires donc, hein, ferment leurs portes à cause de cette crise énergétique. Et ils ont dit, il y a un facteur géopolitique qui a affecté maintenant donc, hein, ces centrales nucléaires-là. Ils ont dit la Russie et puis le Niger. La Russie et le Niger. Il faut aller voir, regarder Bloomberg. Il faut aller mettre Bloomberg News. Vous allez voir. Et Reuters aussi. Donc les Américains, ils ne vont pas nous coller la paix. Et maintenant, c'est l'heure euh, euh, de l'union. On devrait s'unir. On devrait sortir manifester pour montrer aux Américains que le Niger n'est pas prêt à céder à leur tentation de déstabilisation. Voilà. Ce n'est pas la CDAO. C'est la France et les États-Unis. Parce que dans un premier temps, les gens ils disaient que ah, les Américains ils sont avec nous, voilà, voilà. Ce sont eux-mêmes maintenant qui étaient partis à Abuja pour un peu négocier, voilà, voilà. Je vous ai dit, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Et les Blancs ils sont plus unis que nous. C'est ça le problème des Africains. Si ce n'est pas ça, par comment Tunubu et Ouattara, hein, ils vont contribuer à la destruction hein, de leurs propres frères. Si ce n'est pas les Noirs, les Blancs ne fera jamais ça. Ils ont des problèmes entre eux, mais ils n'allaient pas loin jusqu'à ce stade-là. De la façon dont ils ont sanctionné les Niger. Hein. Vous voyez c'est trop criminel. Mais les Africains, on n'apprend pas des leçons de l'esclavage, de la colonisation. Et voilà un peuple qui veut se libérer. Et voilà ces frères-là qui veulent les ramener en arrière, donc vers donc, les maîtres esclaves. C'est ça, c'est ça l'Afrique. Que Dieu nous en garde. Mais je vous dis que, donc, euh, euh, c'est-à-dire, si la CDAO ne s'est pas présenté à Niamey, cela est lié directement avec la présence du secrétaire d'État américain. Donc, ah, ils ont manigancé des choses là-bas ah, du côté d'Abuja et ils sont en train de préparer un plan macabre contre notre pays. Ils sont en train de préparer des stratagèmes. Très, très, très, c'est très sérieux maintenant. Donc, ah, vraiment, il faut qu'on se lève pour prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège de tout stratagème provenant de ses ennemis-là. La France, les États-Unis et tous les autres ennemis qui sont internes ou bien externes. Vous voyez Donc, euh, pourquoi ils ne menacent pas les autres pays qui ont fait le coup d'État Pourquoi le Niger Le Niger est géopolitiquement et géostratégiquement très très important pour l'Occident, particulièrement les États-Unis. L'inquiétude maintenant des Américains, c'est quoi Maintenant, avec euh, euh, ces rapprochements avec la Russie, et ils savent qu'on a l'uranium. Et ils ne veulent pas que les Russes ou bien les Chinois mettent la main sur l'uranium nigérien. Hein? On dirait que l'uranium nigérien appartient aux États-Unis ou bien à la France. Donc c'est ça le problème. C'est l'enjeu géopolitique donc, euh, de cette situation. Le péché originelle du Niger, c'est le fait d'avoir l'uranium. Et les Américains, ils vont quitter le Niger. Je vous ai dit, ce ne sont pas des enfants du cœur. Ils vont quitter le Niger. Ils vont quitter le Niger. Donc, nous devons nous mobiliser davantage maintenant. C'est maintenant ou jamais. Nous n'allons pas céder à ces, à ces menaces-là. Nous tenons à notre souveraineté. je salue tous les membres du groupe et vos familles respectives. Bien évidemment, ils ont obéi à leur maître. Et si la CDAO ne s'est pas présentée à Niamey aujourd'hui, euh, euh, ceci est lié au fait qu'ils ont reçu des injonctions provenant de leur maître. Et vous n'êtes pas sans savoir que euh, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en visite officielle en Afrique elle était en Côte d'Ivoire, je crois bien, c'était avant-hier. Elle a même participé au match euh, euh, Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, là où Guinée-Bissau a cartonné, a massacré la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, donc euh, les, vassals de l'Occident. Et aujourd'hui, Anthony Blinken, il est au Nigeria, et donc il a été reçu par Messie Tunubu, l'un des vassals aussi. Donc, et ils ont eu un entretien avec euh, les ministres des Affaires étrangères du Nigeria. Voilà, j'ai suivi vraiment l'entretien et son inquiétude, c'est quoi C'est le Niger. Et il a soulevé ces problèmes du Niger, donc plus de dix reprises. Plus de dix reprises, il soulignait Niger, Niger, Niger, Niger. Et ils sont en train d'insister donc à une courte transition et à la libération de Bazoum. Et quelque chose qu'il a cédé à haut C'est pertinemment que le Niger ne va pas, euh, ne va pas libérer Bazoum maintenant. Et une transition courte est impossible maintenant parce que ça, c'est la volonté du peuple nigérien. C'est la volonté du peuple souverain nigérien. Vous voyez Donc, euh, il y a cette visite donc, euh, du Premier ministre et sa délégation vers les trois pays dont nous connaissions. Et maintenant, quand ils ont vu que le Premier ministre et sa délégation donc, étaient partis à Russie, voilà, moi, les filles qui étaient sorties pour euh, commencer à menacer les Niger de leur dire que non, pourquoi ils vont tisser des relations avec la Russie. Vous voyez, donc euh, jusqu'à présent, ces gens-là, ils pensent qu'on est des esclaves, ou bien ils pensent que les Niger d'aujourd'hui et les Niger d'hier, ils n'ont qu'à se détromper. Les Niger a emprunté les chemins de sa souveraineté. Et rien nous montre, personne, aucun pays ne peut nous arrêter. Voilà. Et donc, euh, cette absence de la CDAO est liée à ces facteurs-là dont je venais de vous citer là, parce qu'Anthony Blinken, il a insisté donc à la restauration donc de la démocratie au Niger et à une transition courte et à la libération de Bazoum, quelque chose qui, qui ne va pas se passer. Donc vous voyez raison pour laquelle maintenant ils ont changé de tactique. Ils ont changé de tactique. Donc euh, euh Bola il va lui dire que bon voilà, ça là, vraiment, moi-même j'ai fait tout ce que je pouvais mais j'ai des problèmes ici à la maison. Donc maintenant, ils vont essayer de changer notre plan. Donc il faut qu'on s'attende à tout. Mais Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, ils ne vont pas réussir. Dieu va nous protéger contre tout stratagème provenant de ces ennemis-là. Parce que les États-Unis, maintenant, ils sont fâchés parce qu'ils savent que maintenant, leur départ est imminent. On va les chasser du Niger. Comme je vous ai déjà dit, que ces, ces, gens-là ne sont pas des enfants du cœur. Qui dit États-Unis dit France. Voilà. Parce qu'ils pensaient que vraiment, ils peuvent nous séduire. Et donc, euh, ils ont calmé la France pour leur dire que non, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as il faut sortir. Nous, on va s'en charger de la situation. Mais ils ont fait erreur. On va les foutre à la porte euh, bientôt. Ils vont, ils vont partir aussi. C'est ça le problème. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui, ici aux États-Unis, il y a un problème très sérieux. Les États-Unis traversent une crise énergétique inédite de son histoire, comme l'Europe. Vous voyez, depuis la crise en Ukraine, et donc euh, la Russie donc, a arrêté donc, euh, d'exporter son uranium donc, aux États-Unis parce que la Russie est le premier producteur d'uranium donc, euh, et le premier partenaire donc, en matière de vente d'uranium euh, des États-Unis, c'est leur partenaire. Vous voyez, ils nous disent de ne pas coopérer avec les Russes et eux, ils coopèrent avec les Russes, comme récemment. Donc, ils ont entrepris maintenant donc, euh, leur euh, c'est-à-dire échange, c'est-à-dire leur achat du pétrole russe. Ils se moquent des Africains. Donc, vous voyez, c'est ça leur inquiétude. Maintenant, l'uranium là, et surtout qu'avant-hier, ils ont suspendu, le Niger a suspendu, donc, c'est-à-dire tout octroi donc, euh, des licences, euh, donc, euh, des licences minières. Donc, vous voyez, tous ces facteurs-là jouent. Donc, maintenant, ils vont essayer de rebattre les cartes et d'essayer de, passer aussi par des complots de déstabilisation. Mais Inch'Allah, Dieu va nous protéger de tout stratagème provenant de l'ennemi. Inch'Allah, Inch'Allah.